le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18 heures passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, le bilan officiel de l'attaque perpétrée par Boko Haram euh, dans la nuit du vendredi au samedi dernier dans la commune rurale de Geskerou, région de Difa. Nous entendons le gouverneur euh, de, cette, de la région de Difa dans un instant. Autre sujet au sommaire de cette émission, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, l'USTN, apporte son soutien aux agents des collectivités territoriales de la région de Niamey qui ont entamé ce lundi une nouvelle grève de cinq jours sans service minimum à travers un sitting à la ville de Niamey. Interview à suivre avec Manou Bagé, secrétaire général de cette centrale syndicale. Avec lui, nous ferons aussi un tour de de la situation sociale et syndicale euh, du Niger en ce début d'année. Et enfin, euh, nous nous intéressons aux mots qui minent le système éducatif nigérien à travers un diagnostic sans complaisance fait à travers la dernière revue conjointe au gouvernement partenaires techniques et financiers et la société civile active en éducation à Niamey. Deux morts et trois blessés, c'est le bilan officiel d'une attaque perpétrée dans la nuit du vendredi au samedi dans la commune rurale de Guesquerou, région de Difa. Le gouvernorat de la région attribue cette attaque à la secte islamiste Boko Haram. Sur place, le calme est revenu. C'est ce qu'explique le gouverneur de la région de Difa. Monsieur Lawali Dandano Mahaman était joint hier après-midi au téléphone par Hamado Moumouni. On a été victime d'une attaque euh, de quelques éléments égarés de la secte Boko Haram. C'est vrai qu'on a perdu deux éléments. Je crois trois blessés. On pas comme de le dire cette attaque, je pense que c'est juste euh, parce que nous sommes dans une dynamique. Vous savez que nous sommes en train de les accueillir. Une, une vague d'éléments de, de, qui sont en train de, rentrer, de déposer les, armes. Et cette situation est en train de les désorganiser. Donc, euh, ce n'est juste qu'un dernier barreau d'honneur. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Donc, euh, ils sont en train de faire les derniers mouvements. Et Inch'Allah, cette situation, elle est maîtrisée déjà. Et la guerre, nous pensons que nous sommes dans un dernier Inch'Allah, on va la gagner. Donc le calme est revenu et les populations ne sont plus inquiètes Non, le calme est revenu, vraiment, ce n'est pas un événement. Ils ont voulu venir faire une diversion, malheureusement, ils ont pris à leur défense. Je ne sais même pas s'ils sont rentrés chez eux ou pas. Dans tous les cas, on ça le militaire. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous venir, ça c'est sûr. Voilà. Pour nous, ici, au niveau de DIFA, on est en train de de euh, gêner la situation parce qu'on est en train de recevoir un nombre important d'ex-éléments, on va les ex-éléments de la donc qui sont en train de rendre les armes, de déposer les armes de revenir. Donc nous avons un bon nombre ici avec nous. Ils sont en train de venir, même actuellement au moment où je vous parle, on m'a noté euh, une qui sont en train de venir. Vous les estimez à combien jusque-là C'est un, une centaine. Donc, vous voyez, ça fait mal quand même à un ennemi, à, un ennemi de une centaine de combattants. Ça fait très mal. Nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Ils sont désorganisés, ils sont aux abois et voilà pourquoi ils sont en train de vouloir réagir comme ça. C'est des jeunes Nigériens ou bien des Nigériens, des Nigériens mais en majorité malheureusement ce sont nos compatriotes des Nigériens, la culture nigérienne. Mais c'est une situation qui est là, on gère et Inch'Allah ça va, ça va aller. Hier vous étiez dans le camp de repenti. Qu'est-ce que vous leur avez dit comme message Non mais régulièrement moi je parle là-bas pour, pour voir leurs conditions de vie. Donc euh, hier c'était une visite dans l'ordre normal de choses, c'était parti pour voir. Et j'ai trouvé qu'ils étaient là, ils étaient satisfaits, ils sont très contents vraiment de, de l'accueil qui est fait ils sont dans un camp qu'on appelle camp du repenti qui sera ici. Après, ils seront bientôt relocalisés dans un camp, là où on va procéder à la, à la déradicalisation et à la réintention professionnelle. Donc, euh, tout se passe bien. Et nous avons échangé, euh, il n'y a aucun problème. Vous avez les moyens pour faire euh, ce, travail-là Vous savez, depuis le début de cette affaire, vraiment, l'État est en train de faire des gros efforts et continue encore à le faire c'est vrai que l'État a ses limites. Pour le moment, c'est l'État qui prend en charge tout ce qu'on est en train de faire. Donc, nous, demandons aux bonnes volontés, aux partisans qui veulent nous accompagner dans ce sens, c'est le moment de le faire. Mais pour le moment, c'est l'État qui prend en charge à 100% tout ce qu'on est en train de faire. De façon générale, comment se présente euh, la situation sécuritaire Est-ce que c'est la seule attaque Est-ce qu'il y a d'autres situations euh, un peu parallèles Non, mais de, façon générale, la région se porte très très bien, il n'y a aucun souci. Et vraiment, tout va bien. On vit comme dans d'autres régions, ça va. Les, activités sont en train de me prendre de façon progressive. Vraiment, on peut dire Dieu merci, ça va. Mais les mesures restrictives restent toujours euh, telles. Non, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout récemment, par rapport au couvre-feu, qui était de 19h à, à 6h du matin, nous avons acheté une heure. Maintenant, ce n'est plus 19h, c'est à 20h. Et également, nous avons autorisé la circulation des tricycles pour un peu faciliter la vie à nos concitoyens. Donc, ça veut dire que vraiment, il y si on le fait, ça veut dire qu'il y a une amélioration de la situation sécuritaire. C'était là le gouverneur de la région de Difa, Maman Lawali Dandano, relativement à la récente attaque attribuée à Boko Haram dans la commune rurale de aux région de Difa, de la nuit du vendredi à samedi dernier. Il était joint au téléphone hier après-midi par Amado Mumuni. les agents des collectivités territoriales de la région de Niamey ont entamé ce matin une grève de cinq jours sans service minimum appuyé d'un sitting à l'hôtel de ville de Niamey. Les agents réclament sept mois et de salaire aux autorités, une situation qui les a plongés dans des conditions très difficiles. Le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, l'USTN, Manoubadje, a au nom de sa centrale, participé à ce sitting, une façon pour lui d'apporter le soutien nécessaire de l'USTN aux travailleurs de la ville de Niamey. On l'écoute. Manu bonjour. Bonjour. Ce matin, vous étiez au niveau de la ville de Niamey. Pourquoi faire Il faut dire que j'ai été informé hier soir de l'intention des travailleurs de la ville de Niamey donc d'organiser un sitting ce matin. Et voilà pourquoi, effectivement, euh, aux environs de 10 heures, j'ai fait un crochet et j'ai trouvé vraiment les camarades euh, suffisamment mobilisés, assez motivés, où ils ont même organisé une prière collective pour justement implorer la grâce d'Allah par rapport à la situation extrêmement difficile qu'ils sont en train de vivre. Il faut le rappeler, le travail de la ville de Niamey totalise aujourd'hui sept mois d'arrêt de salaire, le huitième est en train de s'acheminer. Et ça, malheureusement, c'est une situation que personne ne comprend. À partir du moment où ils ont toujours travaillé, au niveau de la mairie de Niamey, il y a même eu un dégraissage. On a pratiquement licencié plus de 2000 travailleurs. On ne peut pas comprendre qu'à cette période encore, où on fixe des objectifs de faire de Niamey, Niamey Niala, donc la ville coquette, comme le disent les autorités, vraiment une vitrine pour notre pays, une ville où il va faire bon vivre, qui serve vraiment d'exemple pour la sous-région, et que on sèvre les travailleurs de la ville de Niamey de leur salaire, le salaire qui est le principal moyen d'existence d'un travailleur et de sa famille. C'est une situation extrêmement difficile très très difficile à comprendre. Voilà pourquoi nous avons été ce matin là-bas pour leur manifester notre solidarité, pour les soutenir, pour leur dire notre engagement dorénavant à lutter à leur côté, parce que nous avons déploré le fait qu'ils ont toujours œuvré cavalier seul, ils ne nous tenaient même pas informés de leurs activités. Nous avons demandé à ce qu'à chaque fois qu'il y a une activité, une manifestation quelconque, d'abord de nous tenir informés pour qu'on soit solidaires de leur activité, qu'on puisse les appuyer, mais également pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les informations requises pour voir qui des droits, pour vraiment euh, faire en sorte que ces travaux là soient mis dans leur droit. Monsieur le SIG, depuis le début euh, de cette guerre entre les travailleurs de la ville de Niamey et leur autorité du tutelle, on n'a pas quand même senti la présence ou bien la réaction de l'intersyndicale des travailleurs du Niger qui regroupe à elle seule cette centrale, les plus grandes centrales syndicales du Niger. Non, il faut le déplorer. Vous avez, il y a beaucoup de problèmes pour les travailleurs au Niger pour lesquels l'ITN devrait prendre en tout cas en charge ou l'ITN devrait se prononcer. À quelques rares occasions où il y a eu des tentatives malheureusement, ça n'a pas abouti. Et vous avez suivi même l'attaque du ministre de l'Intérieur euh, il n'y a pas longtemps, quand il est taxé l'ITN d'être euh, à la solde de l'opposition. Je crois que, euh, à son temps, j'ai dit que c'est une provocation. Non seulement l'ITN n'a pas répondu par rapport à tous les problèmes qui assaillent le monde du travail au Niger, c'est devenu vraiment un conglomérat, comme on le dit, des secrétaires généraux qui se soucient plus de préserver leurs propres intérêts au détriment des intérêts des travailleurs. Moi, je pense que, en tout cas, c'est pas responsable de notre part. Il va falloir se ressaisir au niveau de l'ITN. Vous avez fait à juste titre. Mais nous nous sommes dit que on peut toujours s'accommoder d'une confédération ou d'une intersyndicale, mais ça n'empêche, ça n'enlève en rien l'autonomie des syndicats. En tant que USN, nous avons l'obligation de réagir à toute situation qui se posent dans le monde du travail au Niger, même si ça ne concerne pas directement nos affiliés. Et c'est ce que nous essayons de faire autant que faire se peut. Au niveau de l'ITN, nous œuvrons pour que à chaque fois qu'il y a un événement important pour le monde du travail, qui a en tout cas un lien avec le monde du travail ou le social, qu'on réagisse. Si on n'est pas acteur, au moins qu'on soutienne les acteurs. C'est extrêmement important. C'est ce que nous essayons de faire, mais nous avons compris que vraiment au niveau de l'ITN, c'est beaucoup plus difficile. On avait remarqué aussi au niveau du secteur de l'éducation. Là aussi, l'ITN n'a rien dit. Est-ce que c'est explicable aux yeux des travailleurs non, il ne faut pas dire que l'ITN n'a rien dit. L'ITN a réagi puisqu'il y a eu un communiqué de presse qui a été donc rendu public euh, au cours du mois de novembre, si vous vous souvenez bien. En dehors de cela, nous avons même préparé un projet de préavis par rapport à toute la situation que nous vivions. D'abord la situation des enseignants, qui avaient des arrêts de pécule et des salaires dans certaines localités. Nous avions également la situation des travailleurs de la mairie qui en totalisaient en son temps, donc en début décembre, là, ils avaient 5-6 mois d'arrêt de salaire. Nous avions également euh, les coupures qui avaient commencé, les suspensions des indemnités et primes qui avaient été opérées. Et vraiment, on sentait une véritable menace sur les droits des travailleurs. Au niveau de l'ITN, il y a eu une proposition où unanimement les sept centrales ont même voulu déposer un préavis, et malheureusement qui, par rétractation certains membres n'a pas pu aboutir et c'est sur ça que justement le, ministre de l'Intérieur s'est un peu penché en disant qu'on a même failli être mobilisé dans le cadre d'une d'un plan de conspiration orchestré par l'opposition. Donc c'est pour dire simplement que nous, nous avons un devoir constitutionnel et des libertés à défendre, nous avons un devoir de défendre les droits des travailleurs, le monde du travail et tout le droit des citoyens nigériens en général. Et ça, il est de notre devoir de le faire. Si on ne le fait pas, on va être interpellé et je salue au passage, en tout cas, la clairvoyance de beaucoup de vos collègues qui n'hésitent pas à nous interpeller. Vous faites votre travail et nous, nous avons le devoir, en tout cas, de réagir à chaque fois qu'il y a quelque chose. On peut nous traiter de ce qu'on veut, mais je crois que où on est engagé pour défendre la cause des travailleurs, ou on ne l'est pas, et si on ne l'est pas, il vaut mieux laisser les autres faire. Comment est-ce que le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, peut vous taxer d'opposants, alors que lors du Tatarki, l'intersyndical du travail du Niger avait cheminé avec eux Non, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Euh, ils se souviendront que pour l'avènement même de la démocratie sous le régime d'exception, tous les partis politiques naissants euh, se réunissaient ici à la Bourse du Travail de l'USTN. Tout, tout se préparait ensemble. Donc les partis politiques ne sont pas étrangers, même au mouvement syndical. Et du reste, la plupart des dirigeants aujourd'hui des partis politiques sont aussi étaient des anciens dirigeants syndicaux. Donc, euh, et quand l'intérêt général est menacé, on a vu, on est obligé de faire front commun, que ce soit le politique, que ce soit le social, que ce soit les syndicats. On était obligé de se coaliser euh, la dernière fois quand la, la, démocratie était en péril. Et si demain, je ne le souhaite pas, la même situation se présente, on sera obligé de faire la même chose. Nous, on ne s'est fait aucune illusion par rapport à cela et nous ferons notre devoir conformément. Donc, le ministre, à juste titre, euh, disait qu'on était euh, embarqué dans une conspiration. Comme je le disais, c'est pour nous, ça là, c'était une provocation. Parce que vous, des médias, vous avez observé le silence coupable de l'ITN par rapport à beaucoup de choses que vous êtes en train de dénoncer. Et alors, à ce niveau, est-ce que l'opposition, elle aussi, ne peut pas vous taxer de rouler pour euh, le pouvoir Tout à fait, mais l'opposition est en droit, même la société civile est en droit, comme nous taxons certains éléments de la société civile d'être de la mouvance ou d'être de l'opposition. Ceux qui, en tout cas, observent on ne fait pas notre devoir véritablement avec conscience, ils sont en droit de faire des observations ou de nous taxer de ce qu'ils veulent. Ça, je crois que ça, ça ne peut pas nous ébranler. Nous, à l'USN, ça, là, chacun n'a qu'à dire tout ce qu'il pense. Nous, au contraire, ces interpellations-là vont nous permettre de mieux nous réveiller, vraiment de prendre en charge les préoccupations de l'heure. On ne rejette pas les interpellations de quelque part que ça vienne, de n'importe où qui ça vient. Quand on a des interpellations, on va les analyser, on verra si réellement c'est des interpellations qui valent le coup de se ressaisir, on va le faire. On aimerait bien que ce soit d'abord les interpellations des travailleurs, particulièrement nos militants, mais le monde du travail en général, quand nous sommes interpellés, nous n'avons même pas le choix, parce que c'est eux qui nous ont mandatés pour être à la tête, et demain, c'est eux qui choisiront les nouveaux dirigeants. Donc, ils sont libres de, de nous faire et de nous défaire. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, pendant que nous sommes aux affaires, de faire le jeu des travailleurs et non le jeu de qui donc les interpellations, nous, chez nous, à l'USN, elles sont la bienvenue de quelque bord qu'elles viennent, mais les provocations ou les accusations, nous les refutons. Monsieur le SG, en 2012, il y avait eu l'ouverture des négociations entre la partie gouvernementale et les partenaires sociaux. Où en sommes-nous en ce qui concerne ces négociations Non, il faut dire qu'en ce qui concerne les négociations, c'est parce que justement ça piétine. Vous vous rappelez qu'en 2012, on a signé un accord à travers lequel il y avait des points qui ont été réglés, notamment la réduction des tarifs d'eau, d'électricité et autres. À la fin de l'année, il était question, en ce qui concerne le régime indemnitaire, en ce qui concerne la réduction de l'ITS, en ce qui concerne un certain nombre de préoccupations, on a repris les négociations et un accord avait été signé le 2 novembre. Et à cette occasion, justement, le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements qu'il fallait régler au plus tard en fin 2014, notamment l'harmonisation du régime des primes et indemnités, l'appurement des arriérés des incidences financières qui étaient au Trésor et la réduction de l'ITS, entre autres, qui n'était pas encore réglée. Et ces points-là, à la fin de l'année 2014, il s'est avéré que le gouvernement ne les avait pas respectés. L'engagement qu'il a pris pour ces trois points n'était pas respecté. L'ITN était obligé de déposer un nouveau en tout cas, euh, de faire de ça des préalables qu'il faut régler avant toute autre négociation. Et suite à ces préalables-là, on a signé un protocole d'accord le 16 avril 2015 avec le gouvernement, à travers lequel on devrait finaliser le répertoire des emplois et autres là pour que le régime indemnitaire soit alloué en janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2017 ce régime indemnitaire là, on n'a même pas vu encore les propositions de la part du gouvernement, malgré tous les travaux qui ont été faits. En ce qui concerne les incidences financières, aujourd'hui, personne n'est sorti pour dire voilà le stock des incidences financières qu'on a accumulé au Trésor. Pire, on continue à produire de nouvelles incidences financières au Trésor national. Même le comité de suivi qui devrait être mis en place depuis l'année dernière, l'arrêté mettant en place ce comité a été signé depuis le 25 octobre 2015. Mais à la date d'aujourd'hui, ce comité ne s'est même pas réuni, malgré tout ce qu'on a décrit comme match. Donc la question des élections professionnelles est encore là. C'est pour vous dire que quelque part, le front social, ou disons le, partenariat avec le gouvernement est souffrant. Est souffrant justement du manque de sincérité du partenaire on sent qu'on cherche simplement à gagner du temps à chaque occasion. On cherche à gagner du temps. On ne peut pas, on ne veut pas aller. S'il y a des difficultés financières qui ne permettent pas de régler la question du régime indemnitaire, il faut sortir clairement le dire et prendre un nouvel échéancier en conséquence. Mais les travailleurs attendent des réponses claires par rapport à cela. Monsieur le SG, est-ce que vous l'ITN à alerter le gouvernement par rapport au non-respect des engagements On a écrit à plusieurs reprises. J'ai pu vous dire qu'en août, en septembre, il y a eu des écrits. Nous avons interpellé jusqu'au Premier ministre avec des écrits concrets que je peux vous montrer où on a interpellé le gouvernement par rapport au non-respect des engagements. Du reste, qu'il a reconnu qu'il n'a pas respecté lui-même. Le gouvernement, à la dernière réunion qu'on a, vu, qu'on a eu, qui a été d'ailleurs présidée par le ministre d'État, euh, en charge de l'Intérieur, qui est devenu, entre-temps, le ministre président du comité interministériel des négociations avec les partenaires. Donc, cette question a été posée. Ils ont reconnu clairement qu'ils n'ont pas respecté par eux-mêmes leurs engagements qu'ils ont pris par rapport au travail. Nous avons dit tout ce que nous demandons, c'est de respecter ces engagements-là. Il faut faire des propositions concrètes autour desquelles on doit se retrouver. Parce que ça, ça concerne la majorité des agents de l'État. Si on ne règle pas ça, là, moi, je crois qu'il ne sert à rien de chercher à négocier autre chose. Si des engagements qui sont pris depuis 2012 ne peuvent pas être respectés en 2017, cinq ans après, moi, je crois que ça ne sert à rien de prendre de nouveaux engagements. Vous venez là de le rappeler, les élections professionnelles, après de reports, est-ce qu'il faut encore espérer oui, nous, nous faisons de ça une réclamation. C'est une revendication de l'USN qui date de très longtemps, de plus de dix ans. Nous y tenons parce que la pagaille qui règne aujourd'hui dans le mouvement syndical, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et continuer. Nous avons 13 confédérations nationales, 13 centrales syndicales qui se valent du point de vue juridique parce que tout simplement il n'y a pas une règle qui permet de les classifier, de déterminer qui représente quoi, qui, a, quel poids, qui à quel nombre de militants. Chacun avance le nombre de ses militants selon son propre désidérata. Et ça, il faut mettre fin à ça. Les autres pays qui ont organisé des élections professionnelles comme le Togo, le Sénégal, le Bénin ne sont pas plus que le Niger. Du reste, des voies d'études ont été menées à ce niveau-là. On a mis en place la CONEP. Aujourd'hui, ça fait trois ans. Mais malheureusement, on sent que quelque part, il y a, il y a un manque de volonté politique pour accompagner la CONEP. Même si, à notre sein aussi, il y a des organisations syndicales qui ne sont pas favorables à l'organisation de ces élections. Parce que c'est sûr que ceux qui n'auront pas la représentativité vont perdre autonome d'acquis. Donc, c'est pour dire que c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est au gouvernement pour faciliter le partenariat, pour savoir dorénavant par rapport aux préoccupations légitimes des travailleurs avec qui discuter, de faire en sorte que ces, euh, ces élections professionnelles soient organisées pour qu'on détermine qui est représentatif, donc qui est habilité à aller s'asseoir sur la table des négociations pour parler des problèmes des travailleurs, pour signer des conventions et des accords au nom des travailleurs. Une dernière question est-ce que les travailleurs nigériens peuvent continuer à croire à l'intersyndical des travailleurs du Niger Les travailleurs peuvent continuer à croire, mais surtout ils ont le devoir de faire en sorte que l'intersyndicale réponde à leurs préoccupations. Chaque travailleur qui est syndiqué a un syndicat de base. C'est de faire la pression au sein de son syndicat de base d'abord pour que son syndicat de base fasse la pression au niveau de sa centrale et que la sommation des pressions puisse se répercuter au niveau de l'ITN. L'ITN est créé pour les travailleurs, c'est pas créé pour uniquement les dirigeants syndicaux. Il faut que les travailleurs à défaut d'avoir un autre cadre, s'y mettent pour faire en sorte que l'ITN réponde à leurs préoccupations, en attendant qu'on organise des élections. Une fois les élections organisées, vraiment, on va plus s'encombrer des histoires de l'ITN ou d'autres là. Là, c'est la représentativité qui va parler. Chaque centrale connaît sa place et là, vraiment, le problème est décanté. Mais pour le moment, il faut que les travailleurs fassent en sorte que leurs dirigeants à tous les niveaux répondent à, la sollicitation des travailleurs. Manou on vous remercie. Merci à vous. Le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, Manu Bagé, par rapport à la série de grèves des agents des collectivités territoriales de la région de Niamey. Avec lui, nous avons également fait le tour d'horizon de la situation sociale et syndicale au Niger. Autre aspect de ce forum, le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé mercredi dernier la cérémonie d'ouverture de la revue conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers et la société civile du secteur de l'éducation et de la formation. La rencontre a d'ailleurs pris fin vendredi selon le coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'éducation au Niger, Al Haji Amadou Mahamadou. Cette rencontre de haut niveau permettra de mieux diagnostiquer les mots qui minent le système éducatif nigérien et éventuellement proposer des pistes de solutions. En l'écoutant. Aladji Amadou Mohamadou, bonjour. Bonjour. Vous participez à la revue conjointe euh, gouvernement, partenaires techniques et financiers, société civile, secteur de l'éducation et de la formation. Que peut-on concrètement retenir euh, par rapport à cette euh, revue conjointe La revue conjointe entre le gouvernement, euh, c'est-à-dire les ministères en charge de l'éducation, les partenaires techniques et financiers du secteur éducatif et les organisations de la société civile active en éducation, en fait, est un cadre euh, pour évaluer les avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, euh, qui a une durée de vie de 10 ans, mais également faire le point sur les difficultés euh, que l'on rencontre dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et surtout mettre en œuvre euh, ou disons euh, valider les programmes de l'année à venir, c'est-à-dire de l'année 2017. Donc en gros, il faut comprendre que nous sommes là pour évaluer les avancées réalisées dans le secteur de l'éducation, tant en bien qu'en mal. Selon vous, quel a été le bilan euh, de l'année 2016 sur le plan éducatif Naturellement, quand vous allez faire un bilan en ce qui concerne euh, l'éducation, il faut prendre plusieurs paramètres. Et naturellement, euh, il y a des aspects qui ont bien fonctionné, qui ont bien marché. Les indicateurs des différents secteurs de l'éducation indiquent dans certains cas des avancées positives. Vous avez d'autres indicateurs, par contre, euh, qui sont au rouge. Et euh, quand vous regardez le volet euh, gouvernance du secteur de l'éducation, nous pouvons dire que de plus en plus, il y a moins de mauvaise gouvernance parce que même la presse n'en parle pas. Et c'est tant mieux pour les systèmes éducatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Vous avez des problèmes de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, quand je parle des ressources humaines, vous allez voir que à Niamey, par exemple, vous avez des surplus d'enseignants alors qu'à l'intérieur du pays, il y a un besoin crucial d'enseignants. Mais quand vous regardez également le volet qualité de l'éducation, là, nécessairement, eh, les interrogations sont multiples. Parce que la qualité n'y est pas et tout le monde le déplore. Et, et ça, je pense que eh, le travail qu'on va faire pendant trois jours va permettre surtout de voir quels sont, de mettre le doigt sur les difficultés véritables qui euh, plombent les avancées dans le cadre de la qualité et voir ensemble, gouvernement, partenaires techniques et financiers et société civile, qu'est-ce que nous pouvons tous amener comme contribution de façon à faire avancer les choses. Aladji Amadou Mohamadou, beaucoup de syndicalistes du secteur de l'éducation pensent que le secteur a été abandonné par le gouvernement. Qu'en est-il euh, de l'apport des partenaires techniques et financiers Vous savez, les partenaires techniques et financiers n'appuient que le secteur, que le système éducatif. Il n'appuie pas l'État du Niger, par exemple, dans le cadre des paiements des salaires ou des paiements des arriérés de, ceci ou de cela. Et voilà en fait ce qui fait que euh, tantôt nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui sont dans le secteur de, l'éducation, qui appuient le secteur de l'éducation, et nous voyons qu'il y a toujours des problèmes de débrayage pour des questions salariales, pour des questions de paiement des pécules, etc. Parce que ce volet spécifique est réservé à la souveraineté de notre État c'est à, notre, à nous-mêmes de payer nos salaires, de payer les pécules des enseignants et maintenant demander à ce que d'autres euh, contributions puissent venir en appui au système éducatif, à la scolarisation de la jeune fille, par exemple, euh, à l'appui, par exemple, à l'alimentation scolaire, à l'alphabétisation, que ce soit dans les écoles coraniques ou dans les centres euh, d'alphabétisation, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels eux contribuent. Mais les salaires et les pécules, c'est de la souveraineté de notre État. Vous pensez que la société civile du secteur de l'éducation joue convenablement son rôle Je pense que nous jouons euh, vraiment notre partition. Et, vous venez par exemple d'assister à une polémique pour permettre à la, à la, société civile présente à cette revue de pouvoir euh, dire ce qu'elle pense, de donner en toute souveraineté et en toute indépendance son point de vue par rapport à la gestion du système. Vous avez vu, ça, il a fallu des ping-pong pour que finalement on accepte que nous puissions euh, dire notre contribution euh, à la plénière. je pense que nous continuons, et c'est pas suffisant, nous continuons à travailler, à faire en sorte que le secteur aille mieux, qu'il se portasse mieux, mais également faire en sorte que les acteurs qui y sont puissent dialoguer de façon euh, sans qu'il y ait vraiment d'instabilité, sans qu'il y ait trop de problèmes. C'est pas facile, mais on y est dedans. Quel regard pour l'année 2017 Je pense que vu la présence euh, tripartite euh, de toutes les parties concernées, vu l'engagement que nous voyons de part et d'autre, nous pensons que des conclusions à même de faire avancer euh, le secteur pendant cette année 2017 seront adoptées. en tout cas, nous avons foi aux différents acteurs et nous pensons que vraiment les recommandations que, qui seront issues de, ce, de cette revue pourraient permettre au secteur d'avancer. Également les contributions en termes financiers qu'on pourrait être euh, amené à attendre euh, de cette revue également pourraient être à la hauteur pour pallier là où euh, il y a déficit du côté de l'État. Alaji Amadou on vous remercie. Je remercie beaucoup. Alhaji Amadou Mahamadou, coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'éducation au Niger, qui s'exprimait relativement aux mots qui minent le système éducatif nigérien en marge des travaux de la revue conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers et la société civile active en éducation la semaine dernière à Niamey. les acteurs euh, associatifs qui luttent contre le VIH-Sida se réjouissent et félicitent tous ceux qui ont contribué pour l'adoption du décret d'application de la loi relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida. Selon Boubou Mamoudou, coordonnateur de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux services de santé, c'est l'occasion de remédier aux insuffisances de la présente loi. On l'écoute on félicite tout le monde. Et aujourd'hui, le défi, c'est que comment faire en sorte que cette loi soit appropriée par tous les acteurs. J'ai dit euh, tous les acteurs, je parle des autorités politiques, sanitaires et surtout les personnes concernées, c'est-à-dire les patients. On avait vu une loi en 2007. Cette loi, malheureusement, n'a pas connu des décrets d'application. On a vu des insuffisances à ce niveau. On a vu que l'information n'a pas passé comme on le souhaite. Nous avons constaté souvent certains patients, c'est moment où ils ont de grosses difficultés, ils partent vers les services euh, judiciaires. C'est le moment qu'ils sortent la copie de la loi pour monter à l'agent de sécurité pour dire bon, je suis violenté et pourtant il y a une loi. Donc nous dirons que c'est pas de cette façon qu'on peut profiter d'une loi. Et nous pensons que cette nouvelle loi, tous les acteurs vont s'y mettre pour que l'information passe, pour que les gens s'approprient de la loi pour que ça soit utile à la lutte contre le VIH-Sida. Les grands défis, qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. C'est vrai, on avait connu une loi, mais cette loi, je pense que toutes les dispositions sont là pour permettre à tout et chacun de jouer son rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs associatifs, les patients ont un, grand, un grand rôle à jouer pour que l'information passe, les leaders communautaires, tout le monde est informé et faire en sorte que quand il y a des problèmes, les gens puissent avoir le courage aussi d'aller dénoncer. Parce que c'est là aussi l'insuffisance. On a constaté que souvent la personne est violentée ou bien ses droits sont pétinés, l'agent de santé a fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais dès lors qu'on commence à déclencher le processus pour aller vers la justice, la personne démissionne pour dire non, on laisse. Parce que l'environnement est hostile. Je pense que Dieu merci, cet environnement, malgré tout, c'est moins compliqué. Aujourd'hui, nous avons des conseils juridiques dans toutes les régions qui peuvent aider ces personnes en cas de difficulté pour qu'ils soient accompagnés jusqu'à ce que ça aboutisse. Donc ça, je pense que sur ces points-là aussi, euh, quelque chose a été fait et nous pensons que ça va être maintenu. C'est-à-dire dans toute région, qu'on ait au moins un conseil juridique quand la personne a difficulté à comprendre ses droits et ses devoirs pour qu'il puisse aller vers les centres d'écoute ou les centres juridiques pour rentrer dans ses droits. Et je pense qu'au niveau de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux services de santé, nous, nous avons déjà un volet qui concerne le droit et devoir des patients, eh bien, l'occasion pour nous aussi de vendre cette loi, l'occasion aussi de divulguer cette loi pour que la population puisse comprendre. C'était là le coordonnateur de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux services de santé, M. Boubou Mamoudou, qui se réjouit, qui se réjouit également de l'adoption du décret d'application de la loi relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida au Niger. Dernier aspect de ce forum, comment se porte le sport paralympique au Niger à l'occasion de la visite du docteur Fred Sorels, président de l'organisation américaine International Institute of Sport dans notre pays. Je propose de faire le point. L'International Institute of Sport que dirige docteur Fred Sorels est une ONG qui travaille sur fonds privés et donations émanant d'entreprises et des partenaires. Le président de la FENISFA, la Fédération nigérienne euh, du sport para-olympique, Ousmane Haruna se réjouit de sa visite au Niger. On l'écoute. Nous avons la visite du docteur Fred Sorels, qui vient des États-Unis, qui dirige un institut d'appui aux personnes handicapées pratiquant le sport. C'est un grand ami du Niger parce qu'il a eu à appuyer notre fédération pour nos participations à quatre éditions de Jeux paralympiques. En 2004 à Athènes, en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. Donc il vient maintenant voir le Niger, son deuxième pays, euh, pour voir comment les choses évoluent et il est en train de, partager avec nous son expérience et des formations reçues, c'est-à-dire à, l'international, relative au football des amputés. Donc, euh, docteur Dr Fred Hilton Sores est là aussi pour euh, appuyer la fédération à travers le développement du partenariat, euh, parce que son institut travaille avec beaucoup d'organisations dont, euh, qui ont leur représentation ici au Niger. Donc il est là pour nous ouvrir les portes de ce partenariat. Monsieur le Président, euh, comment se porte aujourd'hui votre fédération Oui, je dirais que euh, la FENISFA, la Fédération nigérienne de sport paralympique, se porte bien parce que nous revenons des Jeux paralympiques de Rio en septembre 2016 passé et euh, nous avons vraiment euh, un cahier de charge, un programme d'activité très chargé pour l'année 2017. Et euh, notre fédération a également beaucoup d'initiatives pour le développement. Et je peux vous assurer que nous sommes également en train de mettre en place le comité national paralympique du Niger et diriger les associations en fédération. Euh, donc, euh, dans peu de temps, la FENISFA va disparaître pour donner place au Comité national paralympique du Niger. Votre fédération a à maintes reprises participé aux Jeux paralympiques. Selon vous, quelles sont les faiblesses de vos athlètes Merci beaucoup. Vraiment, c'est très important. Effectivement, les faiblesses de nos athlètes, c'est qu'il y a euh, le problème d'encadrement c'est-à-dire euh, les entraînements ne sont pas suffisants. Et également les problèmes de moyens, c'est-à-dire les équipements, les matériels spécialisés qui nous font défaut. Euh, raison pour laquelle docteur Fred Sorens est même là pour développer des sports qui ne demandent pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire beaucoup d'équipements ou de matériel adapté. Alors euh, je dirais également que l'autre euh, faiblesse, c'est euh, le problème financier auquel nous sommes confrontés. Parce que, vous savez, pour prétendre participer aux compétitions internationales, il faut qu'à l'interne, nous puissions organiser beaucoup de championnats, beaucoup de compétitions. Malheureusement, c'est ce qui nous manque parce que nous n'avons pas les moyens de faire venir les gens. Nous n'avons pas assez de partenaires pour nous appuyer à organiser ces événements sportifs au niveau national et parfois à l'international, nous partons avec des athlètes qui ne sont pas suffisamment formés et qui vont faire que de la figuration. Et nous espérons qu'avec le partenariat que euh, nous, nous, demandons, les partenaires vont se mobiliser à nos côtés pour nous donner ce tapis matériel, ce tapis financier, ce tapis en formation pour que nous puissions bien être formés et euh, en tout cas défendre les couleurs nationales du Niger aux compétitions internationales. Monsieur le Président, depuis la création de votre fédération, quelles sont les sociétés qui vous viennent en aide euh, sous forme de sponsors oui, sous forme de sponsor depuis euh, l'avènement du sport paralympique au Niger en 99, depuis la création de la fédération donc en 99, je dirais que nous avons des partenaires comme euh, Handicap International, des partenaires comme en tout cas l'UNICEF, n'est-ce pas, dans le système des Nations Unies, le PNUT, à travers le programme Sport et Paix, n'est-ce pas euh, Nous avons et Maïus, l'ONG Chebon et Maïus qui ne cesse de nous appuyer. Et je vous dis que actuellement, nous avons également World Vision, euh, Vision mondiale internationale, et euh, les sociétés de transport telles que Rimbo Transport, telles que, n'est-ce pas, STM, euh, SONEF, etc., qui nous appuient dans nos, déplacements. Que fait l'État nigérien euh, au niveau de votre fédération Voilà, je dirais que euh, l'État est le premier chef. L'État contribue seulement voyez-vous, comme on l'a dit, c'est pas suffisant. Parce que quand vous regardez les autres sports, comment l'État les appuie, nous, de notre côté, nous n'avons pas cet appui adéquat de l'État du Niger. Donc, c'est insuffisant. Mais l'État, en tant qu'autorité, fait de son mieux parce que nous sommes reconnus par l'État. Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et du Sport. Nous avons des techniciens euh, qui sont mis à notre disposition par l'État, des professeurs d'EPS e spécialisés. Et euh, l'État prend en charge, en tout cas, certaines rubriques relatives à la tenue de nos championnats nationaux. Seulement, euh, on ne dit pas que c'est suffisant l'État doit accroître son appui à, notre endroit. Parce que tout récemment, quand nous partions pour euh, les Jeux de, Rio, nous n'avons bénéficié que d'un mois d'entraînement. Et ce mois d'entraînement, je vous dis, euh, n'est pas suffisant. Et même quand même, nos athlètes qui ont eu à participer aux Jeux paralympiques de Rio ont pu améliorer leur performance et en tout cas, sont revenus euh, édifiés de leur participation au jeu. Mais maintenant, comme l'a dit le docteur Fred Sorels, notre formateur qui est là, notre grand ami, à travers le football des amputés, à travers d'autres disciplines sportives qui ne demandent pas assez de moyens, l'État doit nous appuyer également, les autres partenaires aussi, pour que nous puissions vraiment euh, hisser plus haut les, couleurs de notre pays, le Niger. Comparativement aux autres pays de la sous-région, quelle est la place euh, du Niger oui, euh, on peut dire que la place du Niger, c'est une place euh, satisfaisante. Euh, cependant, comme je l'ai dit, il y a des difficultés, il y a des défis à relever. Mais le Niger fait de son mieux, parce que comme tout de suite Dr Fred l'a dit dans son intervention, le Niger même appuie d'autres pays à comprendre leur mouvement paralympique et sportif, à pouvoir se développer. Mais bon, voyez-vous, Parfois, le Niger qui aide des pays limitrophes comme le Mali, je dois dire leur nom, le Burkina, le Togo, euh, certains pays, c'est ce Niger-là parfois qui n'a pas le moyen de participer à des compétitions internationales. Mais ces pays-là que nous aidons, eux, dès qu'ils font un budget, leur État approuve d'un coup et chaque fois ils nous disent ils sont à l'étranger, ils participent à des compétitions. Et quand nous participons aux Jeux paralympiques avec eux, ces gens-là nous montrent les moyens qui sont mis à leur disposition. Nous, on a même honte de leur dire ce que notre État nous a donné. Donc, voyez-vous, vous me donnez l'occasion de demander, de lancer un appel à notre État ou aux partenaires au Niger, en tout cas d'accroître leur euh, appui pour le développement du handisport au Niger votre fédération a participé par quatre fois aux compétitions internationales, aux championnats paralympiques. Quel est le bilan euh, de votre participation Oui, euh, le bilan vraiment est satisfaisant, j'ose dire, euh, parce que en 2004, nous étions partis pour la première fois. Nous ne savons même pas les critères de participation, etc. Mais nous avons compétit. docteur Fred, qui est là, l'Américain, nous a aidés et nous avons été formés. En 2008 à Pékin, nous étions partis pour euh, le powerlifting, l'haltérophilie ou le développé couché. Et là, je vous dis que on est mis dans un pool de grands pays. Et notre athlète, Isaac Amadou, il a eu à soulever plus de 150 kilos. Maintenant, pour les Jeux de Londres en 2012, nous étions partis avec deux athlètes dans le cadre de l'athlétisme paralympique. Mais ces gens-là ont fait des prouesses. Ils ont fait des performances exceptionnelles. Et maintenant, pour les Jeux de Rio tout récemment, également, vraiment, il y a de l'avancée. Et maintenant, le défi que nous nous fixons, c'est que pour les Jeux de Tokyo 2020, dans 4 ans ou dans 3 ans, en tout cas, nous espérons décrocher des médailles parce que nous sommes euh, largement édifiés et euh, nous avons les compétences requises. Maintenant, ce qui reste, c'est l'appui de l'État et des autres partenaires pour que nous puissions vraiment relever ce défi. Haruna Ousmane, on vous remercie. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier. C'était là le président de la Fédération nigérienne euh, du sport paralympique, paralympique Ousmane Haruna, qui se réjouit euh, de la visite au Niger du président de l'organisation américaine internationale Institute of Sport, euh, Dr. Fred Sorelsa. Il séjourne au Niger depuis le 31 décembre dernier. Son séjour prendra fin le 31 janvier prochain et ici prend fin ce forum du studio Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.